louco, bom.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 Mais ça, c'est quoi ça là hein? oh, Moi, je n'aime pas ça. Moi, je viens, je pense que tu vas faire vite, quitter. Il manque chose. On a, on a là. Eh, pardon, on a un là. Mais toi, mais c'est quoi ça oh, moi hein. Regardez-moi ça. Bon, ça ah, c'est lui, là, on gêne. Depuis, toi, papa Noël, tu n'as pas encore fini de promener là-bas. Tu viens pour, tu viens pour, tu vas quoi Tu peux pas me parler comme ça, hein Tu ah mosquée moi j'ai fait J'ai fait mosquée de l'Irak, J'ai fait Iran. Tu peux pas me parler comme ça, hein ah, tu as fait Irak, tu as fait Iran. Oui. Mais tu es venu c'est là, imam. Imam, imam, peux lui parler, hein. lui là, c'est comme ça. Hein. Dans toutes les mosquées, c'est plein comme ça. Oui, mais c'est normal. Eh, attends, viens pour moi. Oui. Tu as quel problème Tu me promènes pour chercher, tu dis, mais imam, on a, on a un carême, tu tires trop. Mais faut partir, mais pourquoi tu prends un hein? Attends, attends. Tu penses que la prière là, c'est musulman, on joue avec ça Comment ça Toi, tu m'as tu as trop duré, hein Tu es trop duré, c'est quoi J'ai duré comment La prière là, on joue pas avec ça. Hein Toi, quand tu pries là, tu veux pas bien prier Comment ça Tu sais ce gars-là, Souhana Ouattara a dit avec, euh, euh, dans le Coran, Elle... qui, qui joue avec la prière. Hein, elle a dit quoi Il dit Wailun, L'île Moussolina, les hum, en ça. Voilà. C'est quoi ça Tu sais ce que ça veut dire hein Malheur à ceux qui jouent avec la prière, qui négligent la prière. Tu as compris hein? Tu connais Wailou ça, c'est l'enfer. Eh, il faut enlever ta bouche, Papa Noël, là. Tu t'es trompé de mosquée ou bien Attends, attends, je te parle eh, d'abord. Il faut écouter ça. Oui. Moi, c'est moi l'imam, je te parle. Tu, parles, tu Ah, imam, il me provoque. Tu connais Wailoun, là, c'est que c'est? Ah, ça ah. Ça, c'est l'enfer. Hein Le colomba de l'enfer, là. Tu connais Colombe Il y a Colombe. Le colomb là. il y a Gros trou, là. Oui. L'enfer, c'est ça. La fée. Jamais l'enfer dedans. Voilà, c'est ça. Qui est réservé à ceux qui jouent avec la Hein, pour cela Non, c'est pour toi. C'est pour toi Toi, tu joues avec la prière. Lui, il ne peut pas prier dans un mosquée d'Iran ou bien Irak. Le peuple là. il a un problème avec Non, mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Attends, toi-même, tu es pressé là, tu pries là, tu es pressé là, tu C'est pourquoi toi-même, tu connais les situations là. Les situations là Hein L'argent. Oui, voilà. C'est qui va te donner l'argent Ah, Dieu, Dieu, Dieu. C'est Dieu qui te donne l'argent. Mais si toi, tu pries pas bien pour Dieu, là, il va te donner l'argent comment voilà ça prie, Quand Jibril dit quoi dedans Iyaka na'budu wa Voilà. Tu sais ce que ça veut dire hein? Dieu, c'est toi nous adorons. Hein? Et c'est auprès de toi nous cherchons le secours. Hein? Quand tu as un besoin, tu as un problème. Hein? Quand tu dis il y wa iyaka nasta'in dans la prière, Allah va régler ça pour toi. Mais c'est ça. Dieu, wa C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tu, tu pries bien, tu te concentres depuis que tu commences. Ah, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Il faut bien prier. Mais euh, euh, euh, vous aussi, ne jouez pas avec la ah. Moi, je suis les prières prières, lui, même si lui, il parle, vous parlez. C'est qui a gâté prière. Non, l'imam, lui, là, c'est son travail. Oh. Dans toutes les mosquées. Non, non, non, non, non. Quand on prie, il y a un même qui est là. Ce qu'il fait, c'est ça, vous devez faire. Oui, mais tu peux couper la... Non, si moi n'ai pas encore dit salam alaikum, il n'y a personne qui parle. Non, imam, c'est pas vous, c'est service Hé, eh, toi, tu vas la foi, c'est c'est gâté, c'est fini. Les prières, c'est gâté. Même toi, même toi, c'est gâté. Tu sais, imam, moi je me promenais de mosquée à mosquée, c'est pour chercher les, paradis. Oh. Les paradis là, c'est ah. pas, on se promène partout. Quand tu as une mosquée là, il faut hein. bien prier dedans. Même si imam prie long. Même si imam prie long, c'est ça qui est bon même. Il ne peut pas prier dans la mosquée de Hira. Eh, imam, tu sais qu'on gêne, on a faim. Eh, pardon, gêne. Eh, vieux grand, je ne sais pas comment t'expliquer. Ah, Quand bah, on gêne, ah. c'est pour, avoir quoi C'est pour, pas pour avoir la piété. C'est pas ah, pour bah. avoir la crainte d'Allah. Ah, eh, mais toi, tu gênes et tu ne peux pas bien prier. C'est quand on gêne, on doit prier long. Toi, tu ne fais pas les tarawih. Tu ne fais pas les tarawih. Imam, il prend le Coran, il lit sur les mains, ça finit pas. Toi, tu ne fais pas ça. Il ne connaît pas. Toi, tu n'es pas un bon et, eh, prier. Eh ben, ça pour moi, je sais pas prier. Bon, moi, j'ai fini de prier. Oui. J'ai dit salam moi pour moi, c'est fini. C'est fini comme ça Moi, je vais parler. Ah vous n'avez pas encore prié. Il hein? faut prier. Ok. on va prier. Ah. Non, non, non, moi, j'ai fini. voilà, hein. ah. c'est un qui va devenir il Ah, c'est moi, je vais le faire prier. Je vais le faire prier. Faut comme ça. Voilà, au revoir. Ok, bon, les gars, vous allez prier avec moi. Hein. Qui Vous priez C'est bon. Moi, je vais prier à la maison. Je vais prier qui Ah, vous priez non, ça marche. Vous priez, imam, ils m'ont laissé tomber. Ah, mais toi, tu, tu, tu, négliges la prière. Il faut prier, toi. Il y a un canard à boudou. Il dit, toi aussi, il faut penser à moi. Il est faim.